Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème installation de la campagne agro-silvo-pastorale 2022 au Niger, enjeux, défis et perspectives. Une communication du ministre euh, des Transports relative à la situation pluviométrique à la date du 24 juillet 2022 publié dans le Conseil des ministres du jeudi 28 juillet à FECA du démarrage de la saison des pluies au 24 juillet 2022, le cumul pluviométrique a oscillé entre 0 et 368 mm enregistré à Gaïa à l'échelle nationale. Le cumul pluviométrique saisonnier au 24 juillet 2022 comparé à celui de l'année passée et excédentaire de 40% au niveau des postes suivis. Ce cumul euh, comparé à la moyenne établie sur la période 1981-2010 euh, et excédentaire de 25% au niveau des postes suivis. En ce qui concerne l'installation de la saison en pluies 2022, le démarrage de la saison est effectif euh, sur tout le pays. Il a été globalement normal et précoce dans quelques localités comme le sud-est d'Ifa. La saison a cependant tardivement démarré à Wallam et Filingue. En termes de perspectives euh, pour la période allant du 27 au 31 juillet 2022, des pluies modérées qui peuvent être localement intenses sur la bande sud et la moitié sud-ouest du pays seront enregistrées. S'agissant de la situation pastorale, la première décade du mois de juillet 2022 est caractérisée par la poursuite des précipitations et le remplissage des mares ainsi que le développement des herbacées. La vente à prix modéré des aliments pour bétail s'y poursuit au grand bonheur des éleveurs. La situation sanitaire est globalement calme et le terme d'échange a connu une nette amélioration suite à l'avènement de la fête de Tabaski du 9 juillet 2022 selon le bulletin numéro 5 2022 de la Direction générale du développement pastoral de la production et des industries animales au ministère de l'élevage. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données au niveau de la préparation, de l'installation et de l'évolution de la campagne agro-silvopastorale 2022, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour euh, des meilleurs résultats de ces deux secteurs vitaux de l'économie nigérienne que sont l'agriculture et l'élevage. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Ousseini Ada de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture Ousseini Ada, bonsoir. Bonsoir. Adamou Banya de la plateforme paysanne Adamou Banya, bonsoir. Bonsoir. Et Haj Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger Kapan, Haj Al-Mansour Mohamed, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Ousemi Ada de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, beaucoup de villages agricoles euh, du Niger ont déjà sémé. Où en sommes-nous au sujet des préparatifs de l'évolution de la campagne agricole au Niger Bonsoir, Monsieur Mokhtar. D'entrée de jeu, je profite de ce micro pour euh, remercier en tout cas tout le personnel de votre station pour l'honneur que nous a accordé pour venir ici édifier eh, la population nationale et même internationale en termes de préparatifs euh, de la campagne agro-silvo eh, pastorale et hydraulique au niveau de notre ministère de tutelle. Donc avant de rentrer eh, dans le vif du sujet. Je tiens dans le commentaire parce que vous avez dit que le démarrage le 24 juillet, là, il y a lieu de faire un rectificatif. Mhm. Sur le plan euh, national, ça a commencé à partir de la deuxième décade plus précisément le 15 août, dans le département de Gaïa. Donc, vous voyez, ça, c'est le démarrage. sont dans le dernier conseil des ministres. Voilà, euh. ça, c'est le démarrage. Mais les semis se sont échelonnés, effectivement, jusqu'à la troisième décade, c'est-à-dire jusqu'à vers la fin du mois de juillet. Merci beaucoup. voilà. Là, donc le, mois de juillet précise l'effectivité du semis. Donc, euh, en termes de préparatifs, euh, je préfère d'abord faire un retour en arrière avant de parler des préparatifs euh, de la campagne, mhm. parce que c'est ce que nous faisons habituellement. En prélude de chaque campagne, il faut d'abord euh, voir ce qui s'est passé en amont, c'est-à-dire la campagne passée. L'année dernière. L'année dernière. Mhm. Donc ce n'est un secret pour personne que la campagne 2021-2022 mhm. n'a pas répondu aux attentes vraiment de nos laborieux euh, producteurs. En ce sens que toutes les huit régions du pays ont été déclarées déficitaires. C'est-à-dire à, l'intérieur, euh, il y a des poches sporadiques où ça a marché. Mhm. Mais sur le plan national, au niveau de toutes les huit régions, elles eh, sont déclarées déficitaires. En ce sens que sur les 13 000 et quelques villages agricoles que nous avons, il y a 6 430 qui sont déclarés déficitaires. Donc vous voyez, l'enjeu est de taille. Donc pour parer au plus pressé, le gouvernement a pris en tout cas des, mesures euh, conséquentes en vue d'atténuer les effets de ce phénomène. Donc euh, c'est en ce, sens que vous avez eu vent d'un programme d'urgence qui a été mis en place sur le, plan alimentaire. sur le plan alimentaire, surtout pour développer les cultures irriguées qui doivent compenser ce gap lié à la campagne. Oui, est-ce que, le gap a été euh, En tout cas, ça, a été relevé conséquemment. Ça a été relevé conséquemment. Donc, pour revenir euh, par rapport aux préparatifs, donc euh, on a fait le pour et le contre au vu de ces populations vulnérables ou de, ce, de ces villages qui sont déclarés vulnérables, 6430. Il va falloir normalement appuyer ces populations ou bien ces ménages ou ces villages déficitaires en termes de, de semences améliorées, en termes de, des engrais, en termes de, produits phytosanitaires. Ça a été fait Ça a été fait d'ores et déjà, avant même l'installation de la campagne. Les semences améliorées ont déjà été placées dans toutes les huit régions. Mais, je, je précise un mais, c'est pas destiné à tous les producteurs. C'est seulement les villages qui sont retenus déficitaires à plus de 50%, donc euh, extrêmement vulnérables. C'est ceux-là qui ont été vraiment euh, retenus pour être appuyés en intra agricole avec un encadrement rapproché. Alors, nous sommes aujourd'hui dans la première décade euh, du mois d'août, qui est fortement attendue par les producteurs et autres cultivateurs. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation, l'évolution de la campagne agricole en tout cas sur le plan national, parce que nous venons euh, de faire euh, les missions ministérielles. De préévaluation. bon, préévaluation ou de suivi ou de préévaluation, mais de suivi de l'installation. Suivi de l'installation, l'évaluation du suivi de l'installation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. Moi, j'ai fait le, la région de Douceau. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait la compilation de toutes les missions des huit régions, parce que chaque région fait sa synthèse. Maintenant, au niveau, voilà, au niveau de notre ministère, on fait la compilation pour avoir la situation générale sur le plan national. Mais ce qui est sûr, pour l'instant, avant même de faire la synthèse, on a eu les échos à chaque fois des autres euh, régions que pour le moment, tout va en tout cas en faveur des producteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas d'inquiétude. Parce que, vous savez, ce qui a euh, entravé le déficit de l'année passée, c'est surtout le retard de l'installation de la campagne. C'est-à-dire les semis euh, ont commencé un peu en retard l'année passée. Après, il y a eu les, infestations, c'est-à-dire les attaques des ennemis des cultures et surtout l'arrêt brusque des précipitations. des précipitations au moment de la phase critique des cultures, c'est-à-dire au moment de la floraison-grenaison. Parce que c'est en ce moment que les cultures ont auront besoin, de, plus d'eau pour boucler leur cycle, pour faire le remplissage des grains. Donc vraiment, pour l'instant, sur le plan national, la campagne agro pastorale et hydraulique se passe dans de bonnes conditions. La gestion des aménagements hydro-agricoles, euh, c'est aussi euh, le ministère de l'Agriculture. Quelle est euh, la situation des aménagements hydro-agricoles Comme je vous dis, ou bien je vous rappelle toujours, on n'a pas eu à faire la synthèse, mais pour la région dans laquelle j'ai participé par rapport à, l'évaluation des suivis de l'installation. Pour l'instant, il n'y a pas assez, assez de problèmes, c'est vrai. Suite à l'écoulement, à de fortes précipitations, à d'autres ouvrages hydro-agricoles qui ont un PCD, mais le gouvernement est à peu d'œuvre, les techniciens sont sur le terrain pour en tout cas apporter des solutions au niveau de ces ouvrages-là. S'il y a d'éventuelles attaques d'ennemis de culture, est-ce que vous êtes en mesure d'y faire face aujourd'hui au euh, jour d'aujourd'hui Oui, ça, ça cadre toujours dans les préparatifs parce que je vous ai parlé euh, de la mise en place des intrants. Donc, les entrants, ça englobe tout ça. Donc, la semence, euh, les fongicides, c'est-à-dire le produit qu'on met sur les semences avant de s'aimer, les pesticides, c'est ça, et les engrais. Les pesticides, c'est ça, les, les produits phytosanitaires. Donc, ça, on les envoie en prélude même de l'installation de la campagne. Parce Bien que avant l'installation. Oui, parce qu'on sait que les ennemis ou l'infestation, là, ça, surprend toujours. Donc, euh, en cas d'attaque, déjà les produits sont sur place, on procède directement au traitement. Parce que l'infestation, tant que ça se manifeste, ça se propage vraiment de façon exponentielle. Merci. pour cela. Merci Ousseini Ada. Euh, Admou y a-t-il euh, des zones d'ombre en ce qui concerne les préparatifs euh, et l'évolution de la campagne agro pastorale 2022 au Niger Ok, merci. Euh, je pense de, à, à, à Kalangou, quand d'avoir accepté quand même à ce qu'on participe à cet échange, combien de fois important pour nous-mêmes et pour ceux qui nous écoutent. peut-être avant d'arriver à cette question, je voulais juste dire au niveau de la plateforme paysanne, nous avons mis un dispositif euh, de, suivi. de suivi de la campagne en trois étapes. Euh, c'est quoi le dispositif Le dispositif, on l'appelle euh, Observatoire des exploitations familiales. C'est-à-dire que nous essayons de recueillir la lecture paysanne. Parce mhm. qu'effectivement, quand la campagne se déroule, l'acteur concerné a une autre lecture les services techniques ont une autre lecture, c'est lui qui accompagne une autre lecture. Donc nous essayons euh, de, de, regarder l'étape de la préparation d'abord. Qu'est-ce que nous regardons Nous essayons de regarder tout ce qui concerne en matière des subventions que l'État apporte aux mm. producteurs, notamment les semences dont il vient de dire, les engrais, les produits en cas d'attaque c'est vrai les, produits phytosanitaires. les tout ce qui concerne les produits zootechniques, tout ce qui est l'aliment bétail, nous essayons de, regarder quelle est la contribution de l'État pour la préparation de la campagne. Mais pas seulement en termes de quantité, nous, nous essayons de voir comment c'est distribué. Parce qu'on peut programmer par exemple 1200 tonnes dans une région, mais quand vous partez, est-ce que c'est arrivé aux, exploitations Est-ce que c'est arrivé à ceux qui sont concernés Oui, mais Adobanya, qu'est-ce que vous avez concrètement remarqué Alors, donc ce qu'on a remarqué, c'est que d'abord, au, niveau de la préparation, il y a eu véritablement un problème de disponibilité d'engrais. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour tout Nigérien qui connaissait que le prix d'engrais qui était à 500 aujourd'hui est monté dans les 24 et 25 000. Pour un producteur d'abord qui avait déjà des difficultés par rapport à la campagne passée parce que c'est une campagne qui n'a pas qui a été, déficitaire. qui était complètement déficitaire, qui était rentrée dans une période de soudure à partir du mois de novembre et à qui aujourd'hui la, question d'engrais est devenue aujourd'hui une préoccupation. Je ne parle pas seulement du Niger, mais au niveau international. Alors donc ça c'est une question qui n'a véritablement pas permis. Très sincèrement, aujourd'hui, il y a des localités, les gens s'entendent c'est vrai, il y a eu des sources, par exemple le Nigeria, il y a certaines localités qui essaient à travers euh, certainement des, des, privés, mais je vous dis que cette question aujourd'hui, elle, continue toujours d'actualité. Bon, maintenant, par rapport toujours à cette question de préparation, c'est vrai, au niveau de la météo, la météo avait déjà donné des informations pour dire par rapport aux prévisions, parce que chaque fois nous partons sur les prévisions de l'État. La météo avait déjà informé entre le mois, la, euh, la, la, campagne va s'installer entre le mois, euh, c'est-à-dire euh, à partir du mois de juillet, c'est-à-dire qu'on aura le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, qui sera suffisamment arrogé. Mais qu'est-ce qu'on a constaté Aujourd'hui, là où je vous parle. Il y a des postes de chercheurs. Je vous parle aujourd'hui parce que nous, les dispositifs, ça nous permet, au niveau de chaque région, nous avons des coordinations régionales qui nous remontent l'information. Tout de suite, je viens de discuter avec le coordinateur de, de, de qui nous dit qu'ils ont fait 16 jours sans pluie. Donc, même si la campagne s'est installée le 15 juillet, alors aujourd'hui, euh, avec 16 jours de, de sécheresse, surtout que ce n'est pas une forte pluie, parfois c'est des, des pluies légères, où les gens ont forcé seulement à s'aimer parce qu'il faut s'aimer. Je pense bien que je vous dis là où je parle. Moi, je sais que ça fait, ça fait deux semaines que j'ai s'aimé, mais je vous dis que ça fait aujourd'hui deux semaines que je n'ai pas récolté un millimètre de pluie dans, sur mon champ. Donc, il y a des localités aujourd'hui, dans des, dans des localités où les gens attendent encore l'installation de la campagne. C'est vrai dans certaines localités, quand par exemple je prends, euh, je prends par exemple euh, à par, notamment à Magaria, à les gens ont commencé déjà à avoir les, premiers épis. Donc, la campagne s'est installée pas de façon uniforme, mais d'une localité à une autre. Donc, de telle sorte que si on essaie de généraliser, je pense qu'on risque aussi de ne pas permettre de toucher à certaines qui continuent toujours à être vulnérables, qui continuent toujours à prendre cette campagne-là quelles sont les autres difficultés euh, des agriculteurs en dehors de la cherté, euh, de l'inaccessibilité de l'engrais et aussi euh, la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace Ça, c'est le premier facteur. Parce que nous essayons, c'est vrai, j'allais les, rappeler, nous, on l'appelle les chocs. Par exemple, les chocs peuvent être, il y a des inondations, ça peut être des C'est vrai, il y a eu des inondations dans certaines localités, mais c'est très localisé. Mais il y a cette question aujourd'hui, j'ai parlé, j'allais vraiment l'évoquer, cette question d'insécurité. On a ça aussi impacte aussi la campagne agricole. J'allais dire parce que c'est quoi La campagne, c'est pour produire. Mais aujourd'hui, il y a des exploitations qui ont abandonné carrément, faute d'insécurité. Tu ne peux plus accéder à ton site de production. Même si a plu, même si vous avez la pluie, même si vous avez les intrants, il y a des localités aujourd'hui où les gens commencent, sont paniqués il y a des zones. où... vous, faites, allusion à la région de Tilaberi. J'ai parlé, parlé surtout dans la région où l'insécurité bat aussi, dans la région de Tilaberi. Maradi, Maradi Difa. dans cette localité, les gens sont paniqués. Donc, ce qui fait que même si tu as cet engagement-là, je crois que cette question concerne toujours. Maintenant, l'autre, l'autre, facteur aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a, il y a cette aujourd'hui main d'œuvre. La main d'œuvre qui était, je, vous dis, elle, ah oui, qui était d'abord rare, elle n'est mm. même pas disponible. Les jeunes d'abord qui sont partis ne sont plus revenus parce que la situation du pays a fait en sorte qu'ils ne se sont pas retrouvés. Il n'y a, pas de bras valides pour travailler. les bras valides, ceux qui sont là, là, ne pouvaient même pas couvrir l'exploitation à plus forte. Parce qu'il y a certains aujourd'hui, quand, quand vous n'avez pas une, euh, main-d'œuvre disponible de l'autre côté, ils ne peuvent pas exploiter. Je vous dis que c'est monté de, de, 500 francs. Aujourd'hui, la main-d'œuvre est à, journalière est à 2000 francs, 2500 francs. Donc, pour dire que ça aussi, c'est une contrainte qui peut contraindre, même si vous avez la volonté, vous avez l'engagement, si la main-d'œuvre n'est pas disponible, surtout que la main-d'œuvre familiale aujourd'hui, elle s'est rétrécie. Donc, c'est véritablement des difficultés qui peuvent, expliquer parfois pourquoi la campagne, même s'il y a la pluviométrie, il y a des facteurs qui peuvent aussi faire, euh, faire en sorte qu'on n'a pas cette, euh, cette production en quantité. Merci beaucoup, Adam Bagna. Al Mansour Mohamed euh, du collectif des associations pastorales du Niger. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation du pastoralisme au Niger Merci. Vous avez tout à l'heure fait relever les appréciations, les appréciations de, l'État qui, qui promettent quand même une campagne pastorale favorable aux éleveurs pasteurs j'allais dire maintenant en ce qui nous concerne, au niveau de collectivisation pasteur, et en lien avec euh, nos ponts ou nos, stratégies locales internes de collecte des informations, la campagne euh, pastorale cette année, en tout cas, elle est promotrice dans beaucoup de régions. Quand vous prenez le nord euh, Maradi, le nord la région d'Ottawa au nord par excellence, n'est-ce pas C'est des zones, j'ai cité des zones d'élevage. De, de, n'est-ce pas Et dans ces zones, en tout cas, la, la, campagne est promoteuse et il y a de l'eau dans les mares. Et tout récemment, les, dates récemment, les dates du 28 et du 29 juillet, il y a eu de grandes pluies. Et même dans la région de Tara, jusqu'à la frontière, jusqu'à la frontière Burkina, il y a eu de grandes pluies. Avant de venir, on a échangé avec euh, des membres où il y a, après il y a une pluie, actuellement, dans le, dans le nord du euh, euh, département de, de Chantabaran, etc., c'est plus. C'est pour vous dire que pour l'instant, pour l'instant, les éleveurs ne se plaignent pas. Oui, oui, pour, pour l'instant, les, éleveurs ne se plaignent pas. Quelles sont les dispositions prises euh, cette année euh, pour mieux euh, les accompagner Oui, les, dispositions prises, quand vous prenez du côté de, de l'État, nous l'avons vérifié, c'est que il y a eu un nombre important de tonnages en aliments bétail qui ont été placés à temps et dans les communes, et dont le dispositif de distribution a été revu n'est-ce pas Et cela a pu, euh, n'est-ce pas, euh, contenir un peu la dédresse des éleveurs pasteurs parce que les sacs, euh, le fait d'injecter l'aliment bétail, de vendre l'aliment bétail à un prix social, a fait en sorte que les prix dans les marchés a, maîtrisé. Les sacs de 50 kilos au marché, de façon générale, hein, autour de 11 000, 12 000 francs. Et cela est lié à l'injection de ces, de ces aliments bétail en tout cas euh, vendu à un prix social est par l'État. Est-ce que c'est disponible au niveau de tous les points de vente à l'intérieur du pays Non, c'est disponible. C'est disponible dans les, points effectivement dédiés pour ça. Dédiés pour ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui, ils me l'ont dit, qui n'ont plus besoin d'aliments bétail qui sont quand même en train de faire pâturer puisque l'air commence, le pâturage. Il y a, le, il y a quand même euh, le, le pâturage, pas comme nous le souhaitons encore. Parce que même les éleveurs qui veulent rejoindre la zone d'Ingal, euh, zone euh, de la crise par excellence, et pour le moment, leur mouvement est très lent. Ils sont dans leur parcours. Leur parcours, c'est dans la grande région nord Et Le moment euh, idéal n'est pas encore là pour que les éleveurs fassent un mouvement rapide à Ingal. Ils sont là avant Ingal, dans la région d'Ottawa. quelle est, la situation sanitaire du, cheptel la, situation sanitaire, en tout cas selon les informations que nous avons, au niveau de nos membres, etc., elle, est calme. Vous pouvez interroger les services techniques et autres. Elle est calme, hormis le cas de la, de qu'on nous a signalé dans, le nord de Béji. Là aussi, effectivement, ça a été les services techniques ont intervenu rapidement. ce sont nos, points focaux de la région de Gadebéji qui nous ont alertés par rapport à ça. En tout cas, pour, par rapport à la santé animale, en tout cas, elle est calme. Mais ce qu'il faut dire, quand il y a des mouvements d'animaux qui vient de tout part, qui se retrouvent dans les mêmes espaces, etc., il y a lieu quand même de prendre des dispositions, effectivement. Il y a lieu de prendre des dispositions. De, de, contamination. Probablement qu'il y a des éleveurs qui, qui, fuient la vaccination, etc., etc. Ça, ça a été toujours comme ça. C'est même, c'est la même chose pour les humains. Aladji Al-Mansour Mohamed, euh, quelles sont les autres difficultés euh, des pasteurs au Niger la difficulté des Pasteur, elle est, j'allais dire, elle est. Il y a euh, l'insécurité. Il y a l'insécurité, il, il y a la, question. La question de la transhumance. La, la, la difficulté des éleveurs aujourd'hui, pas seulement les éleveurs probablement, c'est la question des changements climatiques. Ça, il faut le dire. Ah, ça impacte aussi le changement climatique a un effet euh, négatif sur, en tout cas, euh, la production des systèmes pastoraux. Il y a encore maintenant, comme vous l'avez dit, l'insécurité transfrontalière organisée qui est là et qui empêche aux éleveurs pasteurs d'être dans des zones propices à l'élevage. Elles sont, euh, les éleveurs sont cantonnés souvent dans des zones à proximité des zones agricoles. Cela euh, peut être une source encore de, tensions sociales, n'est-ce pas J'allais dire dans la région de Telabiri, par exemple, euh, dans certaines zones de, de Maradi, Madarumfa, etc., où il y a de, ce genre de vols, des rapes, etc. Donc c'est pour vous dire que l'élevage au Niger, de façon générale, a les défis. Les défis d'abord les climatiques n'est-ce pas La réalité des pluies, ça veut dire que, euh, puis, chaque, euh, le déficit forager même est récurrent. La dernière campagne, nous avons un besoin de la moitié. Nous n'avons avons que la moitié du besoin. Euh, du besoin. matériel sèche. Nous n'avons que la moitié. Il faut chercher à combler la, moitié. C'est énorme. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas quand même se contenter de, la pluie. Il doit avoir quand même des politiques publiques plus, plus qui arrive quand même à combler les déficits à travers euh, la culture foragère irriguée il y a de cela quelques années, euh, les pasteurs aussi évoqué euh, évoquaient des problèmes tels que l'accaparement des terres. En quoi est-ce que l'accaparement des terres impacte-t-il sur l'élevage L'accaparement des terres pastorales, il impacte l'élevage lorsque l'activité qui, est destinée à ces espaces-là n'a rien à voir avec l'élevage, de mon point de vue. Aujourd'hui, si on, a des espaces favorables à la culture de la luzerne, à d'autres cultures euh, euh, fourragères, ça ne peut que qu'aider les éleveurs pasteurs à sécuriser leurs leur cheptel. Donc l'accaparement des terres dont on parle euh, régulièrement et que nous, condamnons, c'est celui-là qui consiste à priver l'éleveur de son espace totalement et qu'il soit en tout cas exploité à titre privé par un individu ou deux. Je, fais allusion à ces rentes privées, à ces rentes privées de certaines zones, où seulement les promoteurs des rentes seul et lui seul et ses animaux qui en profitent. Pourtant, c'est installé dans des espaces partagés, dans des ressources, dans des, dans des terres pastorales où les ressources naturelles sont partagées. C'est ce genre d'accaparement qui ne profite pas aux éleveurs lambda, alors qu'il faut mettre l'accent sur les, petits éleveurs. Merci beaucoup en le monsieur Mohamed. On a servi une courte pause. Ousseini Ada de la Direction générale de l'agriculture au ministère euh, de l'Agriculture, euh, le Niger fait partie des pays qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. El Hadji Al-Mansour Mohamed l'a rappelé, il disait que ça impacte négativement sur le développement du pastoralisme au Niger. Comment éviter ou faire face aux effets des aléas climatiques au Niger Merci, Monsieur Mokhtar. Avant de, répondre à votre question, j'aimerais un peu revenir sur ce que ce qu'a développé notre collègue de la plateforme en parlant de ah, la situation, parlant de la situation des SEMI. Effectivement, comme je l'ai dit, euh, nous techniquement, on a déclaré euh, l'effectivité des SEMI à partir de la troisième décade du mois de juillet. Cela suppose quoi C'est-à-dire aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre. Il peut pleuvoir ici dans la ville de Niamey. Mais dans un autre quartier, <laughs> vous allez partir, peut-être la pluie n'est pas tombée. Tout à fait. Mais quand on généralise à 99%, dans la ville de Niamey, a été arrosée. Donc pour nous, c'est déjà une satisfaction euh, en ce, euh, techniquement. Vous voyez Donc euh, je vous ai dit que la campagne s'est installée dans le département de Gaïa, qui fait une exception, c'est la zone la plus arrosée, à partir mhm. du mois d'avril. Actuellement là-bas, le mille est à l'épiaison. Je ne sais pas ceux qui sont euh, tellement connectés. Vous avez vu, il y a même le mille qu'on a présenté au chef de canton. Tout à fait. Effectivement, moi, j'ai fait, la région de Dosso. On a été à Gaïa. Il y a 12 villages qui sont concernés par ce stade le plus avancé, c'est-à-dire les piézons. Mais quand même, pour ceux qui ne savent pas, ils vont comprendre comme si c'est dans tout le département de Gaïa. Donc, euh, par rapport au CMI, il y a plusieurs stades. Donc, euh, la sécheresse aussi, il a touché un peu. Euh, les postes de sécheresse. Mais pour nous, jusqu'à présent, ce n'est pas alarmant parce que quand euh, je considère la région de, des anders ça, ça, va impacter sur la, sur la quantité. La, la région des, anders dont il a fait euh, allusion, là-bas, si vous vous rappelez, il y a même eu des inondations. Mhm. Parce que la sécheresse doit être observée sur la base de la quantité d'eau tombée. Vous pouvez avoir 100 mm, c'est mal réparti certes, et supporter jusqu'à environ un mois en fonction de, la nature du sol. Supporter un mois sans qu'une goutte ne soit tombée. Vous voyez donc deux semaines, quinze jours, vraiment c'est jusqu'à preuve de contraire. Et jusqu'à preuve euh, de contraire, en tout cas pour nous, ce n'est pas une sécheresse parce qu'il y a eu de grosses précipitations. Mais quand même, ça interpelle si ça ne tombe pas dans l'espace et dans le temps. Oui, parlons-en des conséquences euh, des effets du changement climatique. Comment éviter ou faire face aux effets des aléas climatiques Bon, ça, eh, nous, on, a déjà pris des mesures par rapport à ça il y a longtemps de cela parce que le, changement climatique, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Vous voyez, avant, la campagne d'hivernage s'étale de, de 4 à 5 mois. Aujourd'hui, à peine on a 3 mois, 3 mois et demi, deux fois moins de 3 mois. Vous voyez Donc c'est en ce sens que on a toujours sensibilisé à travers euh, la vulgarisation des thèmes techniques pour dire aux producteurs, au vu de la situation qui s'impose à nous sur le plan changement climatique, il faut abandonner les variétés tardives, mhm. les variétés locales qui ont un cycle long. Aujourd'hui, au niveau de, nos stations de recherche, c'est-à-dire l'ICRISAT et l'INERA, il y a des variétés précoces qui sont là, qui s'adaptent à ce changement climatique. Oui, mais puisqu'il y a aussi le goût euh, qui diffère, est-ce que le message passe sur le terrain au niveau des producteurs Le goût, par rapport au goût, le problème ne se pose pas. Et aussi il la, longueur Des la longueur des tiges. Tout cela, c'est le rendement qui compte. Tout à fait. Quelle que soit la longueur ou la grosseur, c'est le rendement au finish qui compte. Et on a des variétés précoces qui ont un potentiel de rendement vraiment très appréciable. Mais est-ce que le message passe le, message, passe. Mais le problème, c'est quoi Ces variétés améliorées ne supportent pas la, pauvreté du sol. Ah. C'est surtout ça le grand problème. Il faut, il faut l'accompagner avec. Et euh, il faut, il faut au moins amender le sol, il faut fertiliser le sol parce que c'est des variétés qui sont, comme je l'ai dit, hâtives. Donc, au bout de, au bout de 60 jours, deux mois déjà, en dehors de Shakti qui fait l'exception de 45 jours, Shakti qui a remporté le prix euh, à la dernière foire ou bien au salon. Donc on a des variétés de 55 à 60 jours. Mais là, il faut fertiliser le sol. Il faut fertiliser Ousseini Ada, puisque l'engrais coûte cher. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives à proposer Vous êtes un technicien de l'agriculture. Est-ce que vous avez un message, un conseil euh, dans ce sens ça, ça va dans notre, ça, ça va dans notre rôle euh, régalien de tous les jours dans le, cadre vraiment de renforcement des capacités, dans le cadre d'encadrement de, de rapproché, de proximité. Aujourd'hui, il est vrai que l'engrais coûte cher. Déjà, l'État a, pris des mesures pour subventionner cet engrais. Et il y a des tonnages qui sont placés au niveau de ces villages vulnérables. C'est la vente ciblée, subventionnée, ciblée de l'engrais ciblé. Pourquoi Parce que ça veut dire quoi tout ça Oui, ça veut dire que c'est là où c'est au niveau des villages qui sont extrêmement vulnérables qu'on a orienté cette vente ciblée hmm. de l'engrais. C'est-à-dire l'État de c'est à 50%. C'est pas accessible à tout le monde. Oui, parce qu'il faut soutenir ceux qui ont vraiment un rendement très faible par rapport à la campagne passée. Adamou quelle est la contribution de la plateforme paysanne en termes d'encadrement, appui, conseil aux paysans et aux producteurs pour une meilleure campagne agricole 2022 au Niger Ce que nous essayons de faire à travers notre dispositif, nous avons des animateurs endogènes. Ça, veut dire quoi Animateur endogène, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ici du groupement à la base, qui a été formé c'est tout ce qui concerne les formations que nous recevons à travers les dispositifs de l'État ou à travers les ONG. Nous essayons de les accompagner pour qu'ils puissent, pour que l'information arrive à celui qui pratique. Par exemple, toute, toute la question de la vulgarisation, des questions des itinéraires techniques. Il venait tout de suite de dire aujourd'hui, les questions des changements climatiques imposent à ce qu'on adapte nos semences selon la période de la pluviométrie. C'est vrai, à un certain moment, c'était. Donc, ça veut dire qu'il y a une synergie d'action entre la plateforme paysanne et la direction générale de l'agriculture. Effectivement, tout ce qui a, toutes les innovations qui, ont été développées, nous sommes là en train de les mettre. Mais maintenant, nous, nous avons, par exemple, au niveau de la plateforme paysanne, un, centre le, le, centre de formation en agroécologie, où nous valorisons ces savoirs local. Il a effectivement dit aujourd'hui la terre là, tu ne peux pas lui demander si tu ne lui donnes pas. Nous, qu'est-ce que nous essayons de faire La fumir organique. Mais surtout quand vous constatez, vous allez constater par exemple quand vous partez en campagne, vous allez voir les villes, les villages sont très sales, mais les champs sont très propres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que certainement il y a un problème. Nous, qu'est-ce que nous essayons de faire Nous essayons de transporter la saleté là. Tout ça là, que nous essayons de faire toute cette stratégie de compostage, parce qu'il faut valoriser ce qui existe essayer de, de, réduire cette dépendance véritablement du producteur vis-à-vis de l'engrais qui n'est pas produit localement. Donc, il y a beaucoup de C'est une réponse. Ça, c'est une réponse par rapport à cette question dont il vient de parler, d'un changement qui est intervenu aujourd'hui qui impacte véritablement sur les questions de rendement. Mais nous essayons aussi de, faire, par exemple, il y a certaines techniques euh, l'alternance. Si vous, par exemple, pendant, pendant euh, euh, la période de contre-saison, vous mettez des légumineuses, ça veut dire que certainement ça permet non seulement en période pluviale, non seulement le mil ou les autres céréales, qui vont profiter aussi de l'engrais, de l'azote qui a été placé. Nous essayons aussi de faire, par exemple, des associations. Associations, de des cultures. Associations des cultures. Par exemple, il, avait dit, qu'il y a des cultures, par exemple, qui peuvent supporter c'est-à-dire pour ne pas faire une seule monoculture. Quand, quand vous êtes frappé par, par, la sécheresse, ça veut dire que vous perdez tout. C'est pourquoi lui, il essaie de mettre le mil, il essaie de mettre le nyebé, il essaie de mettre du sorgho, il essaie de mettre de la... Cette diversification, c'est pour qu'il puisse aussi rattraper sur d'autres spéculations. Mm. Et là, c'est toutes ces questions, parce que changer le comportement de quelqu'un, c'est pas facile. C'est pourquoi nous avons des, des 100 écoles où on fait des démonstrations pour que lui-même qu'il soit convaincu, parce que s'il n'est pas convaincu, c'est clair, quand vous allez partir, il va dire que ça, c'est l'affaire du projet. Adam Oubénia, les conflits fonciers et les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont les plus récurrents en cette période. Comment éviter ces conflits Nous, ce que nous, avons essayé de faire, nous avons essayé de, rapprocher les acteurs concernés entre eux. Parce que ce que nous, nous sommes là en train d'éviter, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un agriculteur pur. Tu ne peux pas avoir un éleveur pur. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas ses activités. Nous essayons de voir que aujourd'hui les changements climatiques ont fait en sorte, pas même les changements on fait en sorte que nous sommes en train de faire des activités intégrées. Des activités intégrées. Intégrées. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'en même temps tu fais l'agriculture, mais tu as, aussi des animaux. Ne serait-ce que la sarrette que tu as c'est le bœuf que tu as. L'âne, là, c'est toujours. Donc, nous essayons de ne pas déconnecter pour dire que nous, lui, il est purement élevé, il est purement agriculteur. Donc, nous, nous mettons en place des cadres de concertation. Ces cadres de concertation, c'est pour qu'on puisse vivre ensemble comprendre que c'est cette question de, de rareté des ressources qui fait en sorte. Donc nous développons, par exemple, parfois nous avons des chartes que nous mettons sur la gestion des ressources partagées. Par exemple, une mare, nous essayons de voir, par exemple, les maraîchers là. Quelle est la période adaptée pour que les maraîchers utilisent Les pêcheurs pour qu'ils puissent aussi développer les activités de pêche. Les éleveurs pour qu'ils puissent aussi abréver les animaux. Mais tous les acteurs autour puissent, à partir euh, d'une charte consensuelle, pour que l'autre ne dise pas, parce que c'est une ressource d'abord, elle est rare, donc essayons de développer des stratégies pour la gérer. Donc, je pense que ces cadres de concertation nous ont permis véritablement, au lieu de recourir chaque fois à la gendarmerie ou au chef du village, qui le plus souvent, vous savez que ces questions-là, quand elles se soulevées, il y a de l'argent dedans, il y a des commissions dedans. Donc, nous, nous essayons à ce que les acteurs essaient de, développer des concertations à l'interne, avant que l'affaire ne soit euh, euh, merci beaucoup, Adamou Bagna. Alaj Mansour Mohamed, euh, du côté du collectif des associations pastorales du Niger, quelles sont les dispositions prises par votre structure pour éviter ou minimiser d'éventuels conflits entre agriculteurs et éleveurs au Niger Oui, merci. Effectivement, mon collègue d'un côté parlait de l'élevage pur. Effectivement, c'est qu'il faut se dire. Hein. Il y a plusieurs systèmes d'élevage, l'élevage normal, l'élevage euh, agro-pastoral, etc. Et, et, et, vous, vous avez effectivement des, des, des communautés de pasteurs, éleveurs, qui ne font pas de l'agriculture. Parce que vous avez les, les, les éleveurs de chameaux, souvent on le culte l'éleveur de chameaux, qui fait quand même euh, des transactions entre le nord et entre le Niger et l'Algérie, le Niger et la Libye. Les éleveurs, les éleveurs de chameaux et autres. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ne font pas l'agriculture. Mais il y en a qui, qui combinent les deux, etc. Donc, par rapport à, au CAPAN, ce que nous, nous faisons quand vous prenez toutes les actions dédiées aux éleveurs pasteurs, quand vous prenez les actions aliments bêtés, etc., nous faisons notre suivi citoyen. Suivi, suivi citoyen. Le suivi citoyen, le suivi citoyen, puisque l'État lui-même a mis en place un certain nombre de dispositifs. Et nous, en tant que euh, collectif des actions pasteurs qui visent les intérêts des éleveurs pasteurs. Nous, nous, faisons ce suivi-là. Et nous sommes aussi engagés dans un plaidoyer pour euh, les cultures fourragères. N'est-ce pas Il y a eu des notes, des plaidoyers, etc., en direction des, des décideurs. Ça, évite euh, les, conflits entre. Euh, la culture fourragère, c'est dans le sens de, de, combler les déficits, fourragers, les et améliorer la productivité, n'est-ce pas Puisque nous sommes dans, dans ce plaidoyer pour quand même que l'élevage soit une activité quand même qui profite. Avant-hier, il y avait une rencontre entre l'association des vétérinaires et le président de la République. Vous pensez que euh, c'est pour vulgariser davantage, c'est pour rentabiliser davantage l'élevage euh? Oui, la des vétérinaires, euh, quand même, est une structure importante pour les, pour les éleveurs, pour l'élevage. Effectivement, à cette rencontre, je l'ai suivi, le président de la République a parlé de l'industrialisation de l'élevage, à parler de la modernisation de l'élevage de ces Effectivement, au regard quand même des aléas climatiques, au regard des, changements climatiques, il y a lieu euh, effectivement de revoir notre stratégie de production. Je ne dis pas que là, il faut mettre fin à la mobilité, mais il y a les contraintes aujourd'hui climatiques, sécuritaires, font en sorte que le Niger, pays d'élevage par excellence, doit revoir en tout cas sa façon d'exploiter en tout cas cette ressource-là, n'est-ce pas Pour que nous puissions mieux profiter, etc. C'est dit dans la déclaration des politiques générales du gouvernement. Du, gouvernement, je crois qu'en son axe 4, n'est-ce pas, où il parle de la sécurisation du foncier pastoral, il parle de la récupération des terres dégradées et leur ensemencement, il parle également des cultures foragères et des cultures à travers les, les cultures irriguées, il parle du développement des filières pastorales et des champs de valeur, il parle de la transformation des produits animaux. C'est des, orientations importantes. Il faut qu'on profite mieux de notre cheptel. Et le Niger aujourd'hui. Donc, vous, voulez dire que le Niger ne profite pas assez euh, du du Non, nous ne profitons pas assez. Moi, de mon point de vue, on ne profite pas. D'abord, nous, nous, importons totalement la poudre de l'extérieur. Nous, ne nous, développons pas, nous n'avons pas beaucoup de nous, avons des chaînes de valeurs très développées dans le cadre de la transformation de, de, viande. Dans le cas, n'a pas de grands abattoirs euh, qui répondent aux normes internationales, qui, qui, répondent aux questions d'hygiène et de sécurité. Mais il faut des infrastructures, n'est-ce pas Il faut transformer, enfin, on peut faire la transformation de la viande, cuir et peau, n'est-ce pas Production du lait à travers euh, plusieurs modes de production. À côté de l'élevage, mode pastoral, il que... peut avoir vous pensez que tout cela est possible au Niger en euh, eu égard aux nombreux défis et contraintes Non, mais, la plus grande contrainte, c'est de ne pas manger à sa faim et se nourrir et se nourrir, avoir une nourriture de qualité. Ça, c'est les pistes. L'élevage est c'est une piste que nous, parlons d'une piste qui pourrait améliorer la productivité et la qualité de vie du Niger quand on, quand on s'intéresse à ce capital cheptel qui ne fait qu'augmenter. Merci beaucoup, Al Mansour Mohamed Ousseini Ada, de la Direction générale euh, de l'agriculture au ministère euh, de l'Agriculture. En cas de retard de semis dans une localité donnée, quel conseil auriez-vous à donner aux populations de cette localité Oui, en cas de retard de semis, euh, je l'ai dit tantôt, comme il y a des variétés améliorées, des variétés actives, on conseille à ces producteurs qui ont un sémi en retard à faire, d'accéder à ces semences-là pour procéder à leur semis, Parce que c'est la seule solution. Encore faudrait-il d'amender le sol, ça c'est clair. Tout à l'heure, il a parlé de la fertilisation organique. La fertilisation organique, c'est quoi C'est l'apport du fumier. Mais nous, comme il l'a dit, on ne veut pas apporter le fumier frais dans le sol parce que c'est une source de profilation des maladies. C'est pour cela on les forme en technique de compostage. Et le compostage n'est rien d'autre que le produit fini de la décomposition de cette matière organique. Mais le grand problème de cette matière organique, c'est quoi C'est en termes de quantité. Parce qu'il faut 30 000 tonnes à l'hectare. Et ça, ce n'est pas à la portée du paysan. Avoir 30 000 tonnes à l'hectare. Donc c'est pour cela, nous, euh, à travers les nouvelles technologies, on les oriente à faire à apporter cette fumure organique, c'est-à-dire ce compost, que euh, de fumée bien décomposé en microdose. La microdose, c'est quoi C'est juste la quantité nécessaire qu'il faut par poquet. Donc, euh, on met dans le, dans le poquet, c'est-à-dire le trou dans lequel on sème, on met d'abord euh, le contenu de deux mains jointes qui équivaut à 400 à 500 grammes de fumée bien décomposée dans le trou. Après, tu fais ton sémi à l'intérieur dans le même trou. Comme ça, ça va profiter au plan dans sa croissance. Vous voyez ça, ça va contribuer non seulement à économiser la quantité à apporter, et ça va eh, contribuer efficacement au développement du plan. Donc la microdose, c'est une technique, en tout cas eh, en matière d'appui conseil, que nous sommes en train de, de mettre l'accent là-dessus, que ce soit en matière organique ou en matière minérale, c'est-à-dire les engrais minéraux voilà. Merci beaucoup pour euh, cette recommandation. Adam Banya, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure campagne agro-silvopastorale 2022 au Niger rapidement Bon, moi, <laughs> c'est vrai, ça dépend. Aujourd'hui, ça dépend aussi de la pluviométrie. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas suffisamment. Mais ce que, je conseille, c'est de, de, créer des synergies avec les services techniques à la base, qui est aussi, euh, en tout cas, des technologies tel qu'il vient de le dire, essayer de véritablement utiliser des semences adaptées pour la période. Mais moi, j'allais dire par rapport même à la question de la sécurité alimentaire, parce que je me suis dit que essayons d'anticiper déjà. Pour moi, le conseil que j'allais dire, c'est comment aujourd'hui renforcer les programmes d'irrigation. Aujourd'hui, nous avons par exemple le projet Paris, au, niveau du ministère de la... Il y en a aussi d'autres ONG qui essaient d'accompagner parce que, vous voyez, on a cette, cette potentialité importante aujourd'hui quand on va vers DIFA, les oasis qui sont là, là les bafons qui sont là, là. C'est comment accompagner pour qu'on développe, même si c'est à l'échelle individuelle, c'est question d'irrigation. Parce que là, au moins, on a la maîtrise de l'eau. Et là, moi, je pense que c'est une longue période. Hein. Ça va nous permettre de, produire pas seulement euh, pour, pour l'alimentation, mais aussi pour le marché, parce que nous essayons aussi de créer des revenus nous permettant de payer ce qu'on ne produit pas. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ouseni Ada de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, Adamou Banya de la plateforme paysanne et Elhaj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. Merci à nos invités et à vous tous euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Abdelkader Tchombiano. Merci, au revoir.